Auditeurs et auditrices du studio Kalango, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Le Niger sur Kalango. Je suis Samira Wafi et ce matin, je suis en compagnie de Fanta Shamsou pour la présentation. Bonjour Fanta, comment tu vas Je vais bien Samira et chers auditeurs, ravi de vous retrouver à nouveau sur cette émission. À la technique, nous avons Issa Looli et Adam Adowaki à l'édition. Alors Samira, quel est le programme de ce matin Ce matin, il y aura le flash d'information, la page sport, une rubrique hebdomadaire dédiée à l'environnement et de la culture linguistique. Dans la partie éco des régions, vous découvrirez l'histoire d'un ex-migrant de Gaïa, région de Dosso. Et direction Balayara, région de Tilaberi, pour l'entretien du jour. Notre correspondante Fatia Damou s'est entretenue avec Abdou Daouda, l'agent domanial à la mairie de Tagazar. De l'actualité pour débuter cette émission, tout de suite le flash d'information présenté par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Samira, bonjour Fanta. Bonjour Mokhtar. Nous débutons ce flash d'information avec une délégation des membres du gouvernement de la Turquie qui est arrivée à Niamey hier, mardi 16 juillet. La délégation des officiels turcs est composée du ministre turc des Affaires étrangères, celui de la Défense, du ministre turc de l'Énergie et des Ressources naturelles, du président de l'Agence turque de l'Industrie, de la Défense et du vice-ministre turc du Commerce. La Turquie et le Niger sont deux pays qui entretiennent des relations de coopération dans plusieurs domaines comme la défense, la sécurité, l'éducation et les infrastructures. Le ministre de l'Éducation nationale, Dr. Elisabeth Sheriff, a officiellement lancé hier mardi 16 juillet les épreuves écrites de l'examen du certificat de fin d'études d'école normale d'instituteurs et celle du certificat d'aptitude pédagogique de la section spéciale de l'école normale session 2024 à l'école normale Sadou Galadima de Kwarategi de Niamey. Ils sont au total 2542 candidats répartis dans huit jurys à travers le pays. La région de Niamey compte 255 candidats, dont 206 filles. Les soldats de l'opération Farouter Bouchia ont récupéré une centaine d'animaux volés le week-end dernier par des hommes armés dans les environs du village de Maidaboro, dans la commune de Danissa, département de Madarumfa. Déjà, samedi dernier, les forces de défense et de sécurité ont repoussé une attaque d'hommes armés à Moulin, commune de Sarkiyama, toujours dans cette zone frontalière du Nigeria, en proie depuis quelques années à la multiplication d'attaques, de vols et de kidnappings avec demande de rançon par les bandes criminelles qui opèrent le plus souvent depuis le grand voisin du Sud. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mercredi 17 juillet 2024. Merci Mokhtar. Chers auditeurs, comme annoncé dans quelques instants, vous suivrez un entretien accordé par Abdou Daouda, l'agent domanial de la commune de Tagazar, département de Baleyara. Au micro de Fatih Adamou, il explique les nouvelles décisions prises par la mairie pour prévenir les conflits fonciers. Mais avant, chers auditeurs de la bonne musique, pour bien vous installer, ensemble écoutons le titre Cabo Cabo de Guess Band. Bada, bada. Band est un groupe musical originaire d'Arlit, une ville située dans la région d'Agadez. Il a été formé en 1998. Le groupe est connu pour son style tradit moderne qui mélange des éléments de la musique traditionnelle nigérienne avec des influences modernes telles que l'afrobeat. Leur album Arlit Guida est l'un de leurs albums les plus connus, comprenant des chansons comme Mazankominak et Rumji, etc. Guest Band se distingue par ses paroles souvent engagées et ses performances énergétiques qui célèbrent la culture et les traditions locales d'Arlit. chers auditeurs, c'était Kabu Kabu du groupe Guess Place à présent à la première partie de l'entretien du jour. En effet, pour prévenir des conflits fonciers dans la ville des Baleara, les nouvelles autorités municipales de Tagazar ont décidé de la suspension de tous les chantiers en construction. L'administration déléguée a rappelé à la population que la mise en valeur des parcelles est assujettie au préalable à une autorisation municipale, c'est justement de ces mesures que l'on parle

kirni te da irin bore fungan da daino mhm. zama har no kan a gai kan yadu no amma irin za kan bore ke fon yi gidirgana irin mi fungan di in lokaci hal borgo da kare kominira hannu ga kina mhm. ka daidina ha imino fondo na makina man no borgi hin ka hayan wute hayan wo meri no borgate danga do mandu no borga te ni maha mer min no fondo ni min kara kina to boryan mo gono kan igo ga kina rite isiga koy meri ka fonda ha son borwa ne yan fondo fo ni sambisi eh boray kan yan ga kina isa ha fondo isa ha min ga no fondo ga mi kina mhm. fonda kin isan bise ngono ti boryan no gono kan irsa ruso gondo boryan kan ko koy windi mhm. didi borago ga cina igin ha ni cin yan tire mm-hmm. didi kan ni sinde tir kan ni no fondo mi cina mm-hmm. iga goye gayno mhm. iga goye gayno kalbora am kaga ha ga fonda igana ta se tira kan no fondo am cina zama du bora mun wodin te aktonan kan iga babora jine kinar jine da igi ku kan da meri oh. son irme kinora kenan barkan goga cina man fonda ha igi gina yi ku ka kan da meri to bore mo gon kan za don don e za banda banda no inin gai wani cina raite iman koi meri ka fonda ha wodin mu fonda ni ga gani si bare kan yankina kan ya ja inga wani ninga kina yanga te da ba windera wodi yanwo irsi yi ga ko ne ka yi ga ya dinga bori na aga bago mo bor bobu gon kan kina songo dai bore kur kan dai gonda ni kan ga kina mhm. al bora ga kina bo am ka ga han fondo imano fondo am ko kina to san ko ne kan aran sambu kan da borga ba ma cinarte kaddin koi meri tirta san ko ne wo ifo seno aran na sambu sigir wone ai na aran se dangir ni bore fonga ni dai no mhm. luwano kan ga Nijar kulguna mhm. nan kulkan kan borgon da kare dinga kina ka dai din ha meriyo kan kara karago mero min no fondo nimin kara kina mhm. hankan se irne bore mu kaga tiradin ta afo dai a ganan bora mu bai hala hakika karadin ba kanga ba karadin kanga gaba kina ga wonno wal borfo wonno oh. da mai borin gono iko ko kare kin kan mun ci wani mhm. kal ko korbanda da kare ko ka wato dini iko so baga kyanda kyanda iko kyanda kyanda te iko kyanda kyanda te mhm. eh hinkanta aga gangi bora mu koga plus public kina hannu ka plus public place public no ti batam kika al umma maga o oh, jama' maga jama maga ah. dan ga batam kika lokol maga wala tawo kare maga wala doktor kwar maga ni are batam dai kanga al umma nafa ni. din ka zani ni wane demando gisi di ko control i fama ni se kan hay batam din kan ga ba kina mata batam kan no al umma wonno ndi wodin aga gangi bora mu koga batam di mo kina ya di mo no har sun a gangi matakai niki da bor mu koyi wa ni kina ya da mono har son kin yamo din dubwar goga te famanin sai kini yam matkan him ga kare kini zam kare isba din ga kina mu kini ga furfu wandara dil man kaga ha ke foyan bor yan ni irgidi fonda ni ga kina ya dinga kalbora te hasara na zam fondo subu ya da mono har son a ga gangi borama ko ga kina kin kaman habu danga nigidi bor yan go digi yundi kina kulu fuwo mirodin Oh. iga sambuno fonda bun tak tak o oh, bi fur fondara o oh, mm. manji ba fondara fur yon mm. so fu wo de bon ni cin miro bon mm-hmm. miro kan go fonda ga tak tak din mm-hmm. ni man cin da se bata mu kain fo ya dinga kom taliga ba motu koma za a kar fura hinna na furo wodin sai no igba da borgi cina nimsi cin kara miro bon tak tak na miro fu gamara bata mu kain fo danga ba meter fo de rebi wal meter hinka mu si miro tiyen fu miro miste borfo mm. borfo da so ni gidi borengo ndi kina mm-hmm. fenetro dini kam miro bo ni kina mm-hmm. fenetro dini feri tare non go fone wodi no kan ke fone gidi ba zan kasar wanta da go bisa mm-hmm. ba bundi zina ziri foga ibora go kani agbara tunendi sanda matkaran na kida borga ko tirata to tiradin ta ngo matkin na gtida da man dodin danga borga ha mero min no fondo nimin karakina tirno kan borga hantum borkan bano ni ga hantum borkan bano ni ga hantum da dibor suwana da nigi ceci bankan cew amatenise tiradin ga nigin mayo dan nigin babu mayo dan borgin wane goyo kan gogote dan ni wane adreso kulu niga dangaga da ganda borma sinye borma dai tamburu waitaki nim dangaga ihin kanta bor wane karto niga fotokopi ma legalize ma dan tira banda ihinzanta kara tira nga mo nima fotokopi nima tira banda itakenta kara wani palamo nga mo nima fotokopi ma dan a banda tirta kyawun bogdan kyarbanda kwanda meri saruso kan ne secretariat general non nonu ko ga depose. de borani gisi ne te gir bu fo kanta ne mu kaga ha matu nonu de mando de mando de babor ne te ga babor min woni ta eh, lambu telefono daga zama wodi ganan za de mando to kai do saruso do irga borace gana maka irga birnin ko a batama wato gano du boraka irin ko irin nono guna di kan hakika a ronno nongo kuskur sara wato dini bora gonda zambar taci kaga bana imte bora se kitans danga mm. bora ino gane resi aho resi oh bora mu bana ima atire tase di mm. banga tire tase asaba jir fo hinka bora mu kogin gote Voilà, c'était la première partie de l'entretien du jour. Avant de continuer, nous vous proposons de souffler en musique avec le son Maimata Gouda de El Hashtag. mai sanda guda ba shi jihon kura mai riga guda ba shi da wukan sabko mai mata guda ka daina zagin gabro matakka in tabarka kai ma ka koma gabro Chaya fut un célèbre artiste du Niger euh, dont le nom est donné au centre de formation de la promotion musicale de Niamey, le CFPM. Alachitaya était un musicien et chanteur nigérien emblématique de la musique moderne du Niger. Il a été un pionnier de cette musique et a dominé la scène musicale jusqu'à sa mort en août 1988 à l'âge de 37 ans. Après cette balade en musique, chers auditeurs, poursuivons avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Ici, l'agent domanial de la commune de Tagazar, Abdou Daouda, évoque le cas des champs morcelés et vendus par parcelle. Il est toujours au micro de Fatih Adam. boriyan mu gonu kan igane ingai gingai farai ne suka te kare walangai gingai bata mai ne suka te kare borai din mu fondu foni him Kagana. gana gallurawo batan banga te gallu wara man hagu amne ga fari pati pati gite kare ga bora ga batuno miri min batma nisi gite kare matkan kare hanno wato igi farko no ngu wani alhakko o wodi no aga hagunda zama dubore so bai ga batma pati pati gine yaringa bonse afo dai igi batma dan charra hin kanta batma nigi di fonde isika matakan yi gaba to du fonde man matkan matakan yi diga har yanda kuran yan wadan mm. tamaidin kine isi har yanda kuran da hira mm. wal ba igo kwalta te ba tamaidin kine isi kwalta is kwalta da ko ilmo boredin digo ga ba din ne si gwamnati non ga si ka a sahagun mu ba tamawo imate kare konu al'umma sin da ta yankan kara gane fa danganan kan zankai ko ga cewa wal doktor kwara han mm. ka ma da yadin wodin seno wodin igangi bore mate igangi mate igangi mate irin ma kim kwarai borsin da fondo ni min bata ma ne ka nera meri mana bai amma bor yan mogono kan inati borai din sandai foni gihin kadu borai kan yan se nonga din dima nera bazam kan farko ko pati ga nera bor mhm. yan se wodi ni meri a gabat mai nesi dani nesi nin kan fari ka zama da dai fondo ga hini ga karun nongo bon kim kwarai fondo karabon bon nongo an tusuna dani tusu kala miri mu ke ki borno nongo fo bari mm. ga borno mo miri wo kanandi zongo bon waran ka cengu hinna ginno mm-hmm. sanda matano danga batamaki ner borase date meter kare zongo meter kare zongo dira meter kare waran ka cengu hinni borano wo kan chindi kadai bora yega de miri ga gukuban am amte kare am kare am kare de mando ne ki kan ne borag ti am ko ki gisimiri de mando da kwan da bora kwanda de mandai wo kulkite ikul no go pase wal afongo no kan si pase lale ya no afongo no kan si pase mhm. do mando kan si pase ngono go ci mhm. danga ban kan dir ko control irdi kan kara ma ci bora wonno wala ir ko gungdi kan bora nongo al'umma magano ina kaza ne siyon ga wal fondo no kan inera borasi agbanam ko kina dirdi kan wani yan wono ir borake irin da sai kan wara wani domin do tirar singita se kiniyan tira zama haikan irki borasi sai haikan gangi imta sai tirnuwa masalai oh masalai kan gono ah. irki fahman da sai zama nigidi boryan gono kan da mando kan yi te bumbu nongo din ko guguna nongo sinu bumbu no samsam nongo sinu asini samsam sanga bata ma wanta raiga wadi hmm. fo tirgo bo hase amma dir ko ni palmo palmo bo ndongo sino kare tirgo ise mhm. amma asi palmo bo asi palmo oh, bo hmm. yadin ga ngo danga tir de no kan ite yadin tiro dai no kite kanu oh yadin hmm. donc woni en ko dimo dir de e famande bora se kan ir singta se tir kanga cina nam nongo sino uh, a de man do sibisa oh soit nongo ago aluma batam kika aluma nungura mm-hmm. wala fondo no kan koy nera se mm-hmm. to fondo ya jama wono fondo se nera asi wala mo kare no kan sini bumbo kan hawara de no inka intirate donc wayen uh, kulu didiya ir famani borase <gasps> kan mancan kan teno wala dir ko di kan kara bumbo kan nongo ka bam cina dir ko mm-hmm. control di kan borfo magana go mancinga bumbo bumbo magana go yaringa ngamo asibisa yeah. amma hal bonan kare dai foga am, amman ka miri gbora di mayo ka ginga mayo dan mhm. dir poi guna di kantire masan siyara yara. -hmm. wodi bora se to songo da kan bora kan gan dai amano go itire e bon so ne yega banno gina halim tira bargi yetin maga din yetin maga wato imteni se kinyan tira wadin kinmo margino bora hin kabana wadin dimo transfer transfert se ban kar zambar iddu sigir wani aran na dan son ifo no aran goga batu umma ga ir goga batu umma ga burku kan gaba ga min kare kina bura min ga demando te ka meri da mhm. na fondo imano amkina wodi ni aga il bora kul filan zam di fitin fitine zama fitin su bori ni ga di bore kare ga bore ga candi candira iga yin je iga kondi kyar zuzu kwara hadini amante wani seno ga hangana al'umma hunkuni me ku kanga bagin kare kina da demando te Ni ka mi gigisi meri talifo kul sino igi control reno ni kara da sin da ayo masal fo kulu mhm. igi intira te ni se kan mancin da ku kan mancin da gayyan girmin mhm. kan da kyarga mai igi ni kin yan tira te imbu non se nim ko gini kin yote wote masha Allah irkwamte te anda mi zai mu mutemaka ta Vous venez de suivre un entretien accordé par Abdou Daouda, l'agent domanial de la commune de Tagazar, département de Balayara, au micro de Fatih Adamou. Il expliquait les nouvelles décisions prises par la mairie pour prévenir les conflits fonciers. Chers auditeurs, on fait une petite pause et on se retrouve juste après pour la rubrique Hebdo. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et à présent, la rubrique environnement de ce matin pour lutter contre la désertification dans la région d'Edifa, plusieurs comités de lutte contre l'abattage des arbres ont été mis en place. Ils ont été formés pendant trois semaines par une organisation de la place sur les conséquences de la production du charbon de bois sur l'environnement. Et ces derniers vont à leur tour sensibiliser ceux qui n'ont pas pu participer. Les détails avec euh, Imam Souley Youssoufa, président du comité du marché rural de bois des Nigimi, interrogé par Abdoulaye Maina. in an sare ice akwai tsarin da aka yi wanda za a shifka ice maimakon wa'ancan wanda aka sare wannan yana daga cikin abun da aka mana foro kuma shi icen da kanshi ba kowane ice bane ake sara akwai itatuwan da ya kamata a sare kamar itatuwan da basu da yawa kangar dai shine mai yawa na yanzu shine dai ya kamata a sare shi ma ba so ake a sare gaba ɗaya ba lokaci guda ba a san irin tsarin da za a yi a sare ice a rage wani abu tunda kangar shi in ka sare ka rage wani abu nan da nan kuma zai ƙara tohowa ya zamanto mutum kaman kayan shi ne kada ya zamanto abun kaman alaje mafu haka kawai arziki na ƙasa ne na kowa ne kuma abun in ka ji tattalin shi sai a gaba ma ka more shi amma in kai sauri ka lokaci guda ka halakar da abu to gobe ina za ka to kaman yanzu wani irin itace ne wanda bai kamata a sare su ba a cikin horon da kuka samu ya eh, itatuwan da bai kamata ba a sare su yana daga cikin kamar aduwa da kandili da sauransu. To kamar wani irin illoli su waɗannan saran ice kan iya kawo ga muhalli? Illolin da yake kawo akwai hamada, akwai kamar dabbobi wannan na daji su ma in babu itatuwa ba inda su za su goyi. Ya zama to fili iska yana gudu ko ciyawa wannan batta futa. kuma sauran dabbobi duka ba sa zama a wuri. To kamar a wancan lokaci da aka ba da horo akwai kungiyoyi na manoma da kuma makiyaya? Eh kungiyoyi manoma da makiyaya duka dama an ce mu haɗu dole sai da su su tunda su suke a dajin mai kiwon shi ne ma mai saran ikiya akwai kuma wanda suke zuwa daga nesa su yi kaman daba haka ya zama to in sun tara abin da suka tara sai su ta yi. To misali kamar yanzu me yasa waɗansu itace na kusa-kusa din da mutane suke son su sare su? Itatuwan nan na kusa abin da ya sa mutane suke sare su su mutane suna cikin tsanani ne kuma hallo bayan tsananin akwai rashin zaman lahiya suna tsoro ta can nesa. Kenan kamar su masu aikin suka saba da aikin yau da gobe su in kaman ana zaune lahiya ne sun fi so su je can tsakiyar ikin tunda wuri za su tashi su yi aiki ƙarfe uku na dare suke tashi su dafa abincinsu da safe kawai za su je su yi aiki suna gurin iccen kenan babu wahala kamar da safe ka ce sai ka tashi ka nemo iccen nesa harkan tsaro wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da suka sa icce yake karewa tunda mutum bai samu ya je nesa inda icce bushashe yake in mutum yana cikin matsi kenan da icce zai sare akwai yanzu misalai da ke nuna mutane suna ta sassare danyen itace wannan gani idonmu ne mun gani mutane nan kusa da gari suna sare kandili da aduwa su sare sai su kawo a cikin gari ma su masu aikin suna kewa za su ga itatun a cikin gari guma guma manya manya ga suna alhali bai kamata ba a sare su kaga icin da yana yiwa ya girmi baban kama sai ka zo rana ɗaya ka sare shi gaba ɗaya kaga wannan bai yi ba kuma shi mutum ya dibi ƙasa kada ya dibi abu da zai amfani shi kaɗai ya dibi abun da zai amfani jama'a gaba ɗaya kuma daga ciki abun da yake sa icce ya kare da wuri wannan kamar fudda ɗiyan kandili da ake yi kayan su kosa su nuna kenan in aka bari suka nuna suka zuba da kansu in dabbobi suka ci duk inda suka yi kashi itatuwan suna fita in suka fita ko kaga za a samu ƙanana bai yiwa a ce manyan itatuwa ne kawai ba a samun ƙanana dole ice ya kare. Eh, da ke ku zahiri ne wani misali gare ku na jarta ɗin kuɗi na inda kuka shifka itace da dama mi kuka gani wani ci gaba ya kamu. Ci gaban da muka gani kamar shi ice kamar ƙanana wannan. ka gani akwai lokacin da na sayi ɗiyan kandili na kawo na ba bubi a gida da na basu da suka ci da suka yi kashin sai na ɗauki takin na na kai gona na watsa da na watsa ɗiyan kandili da yawa suka fita a cikin gonan nawa kuma da ya zamanto daga ƙasa zan yi tayyakin su in sassake ƙasan nasu da wuri na ga suna miƙewa kuma adoyin da suke cikin gonan suna fita ma wanda na sassake da wuri za ka ga ya mike kenan yana daga cikin abubuwan da suke bunƙasa ice a mishi taye ana mishi taye nan da nan ne zai tsawo ya wuce karin awaki karya shi sai ya girma da wuri wannan yana da cikin abubuwa masu mahimmanci wanda suke sa ici ya girma da wuri shin kaman wannan tsari ya kamata su ma'aikatan kula da gandun daji cewa da ozufurai ya kamata su eh su abin da ya kamata su yi daga ciki ya zamanto ne gefe sun san mutanen da suke wannan aikin yana yiwa ko kungiya ne aka musu ya zamanto an san wani kungiya ne wani mutane ne wani gefe ne suke a san kowa ne ne kenan aka samu kuskure a gefen nan an san inda za a kama amma ya zamanto ba a san kowa ba kawai kowa zai ta iya yi harakan shi sai dai an yi katari sun haɗu kawai kuma matsalan ma daga cikin abubuwan da muka sani yan gari ba ma masu aikin icen ba yan gari wanda suke ban sani ba icen suke sai matsi ne yake sa su aikin su sun fi ma sare icce danyi akan masu aikin wani abun da muka shaida ne saboda ina da jardan nan bakin gari ina gani abubuwan da ake yi to kamar yanzu da matsayin ku na wanda suke jagorancin wannan kwamiti na marshe da buwa kamar wani kokari kuke na wayar da kan masu wannan aiki na sare itace domin samun gawayi ne ya zamanto in mutum zai sare ice ya san irin icin da zai sara ba kowane ice bane mutum zai sara kuma in gawayi za ka yi ba za ka samu duhun ice ba kawai ka sa wuta dole ne ka keɓe ka yi dubaran da za ka keɓe wani ice in ka sa wuta a wani wani ba zai kai wani wuri ba kai wannan tanadi wannan shine abu mai mahimmanci kuma ya zamanto in mutum zai kone ice ma ya zamanto ya san gurin da zai kone wutan ba zai wuce ba ya tahi nesa kuma daga cikin abubuwan da suke sawa ice ya kare yana daga cikin yawan amfani da gawayi a gari da ɗaukar shi a kai shi wani wuri saboda in ice ne za a dafa abinci da shi kenan aiki biyu zai yi za ka dafa abinci kuma za ka kashe sauran in ka kare gawayin kuma ka saki amfani da shi in ka mazo amma in zaman to an kone ice wancan kone wanda aka ya sahi a iska yanzu gawayin kawai za ka yi amfani da shi kaga in ya zamanto to gawayi yana da daraja to kenan duk mutum dubaran da zai yi ya san gawayi yana da daraja bai damu da ice ba sai ya ji ya kone ice kuma sai ka kone da yawa za ka samu gawayi mai yawa amma wani kira gare ku ga shugabanni dan ganin an ɗauki matakin gaskiya wannan yana bukatan formation dan gandun daji wannan ya zama to sun bi abu sau da kafa sun kula da aikinsu in ba su kula da aikin su ba yanzu da yake zamanin siyasa sa ya wuce dole ne mutum in yayi laifi doka ta buge shi amma in ba haka ba mutane ba sa jin magana tunda wannan arziki na kaman man fetur wannan ne ai arziki na kowa ne ba na mutum guda bane iccen nan kenan aka mishi tattali zai amfani kowa zai amfani gari C'était Imam Souley Youssoufa, le président du comité marché rural de bois de Ningemi, au micro de Abdoulaye Meina. Avant de poursuivre cette émission, chers auditeurs, faisons un autre tour en musique avec un son rétro. Nous vous proposons Gossi de la Samaria de Gaillard, région de Dessous. Ceci est un rituel pré-mariage destiné aux jeunes filles servant de moyen de vérification de leur virginité. Cette pratique est une tradition culturelle spécifique à cette localité, symbolisant ainsi la célébration et la préparation des futurs mariés pour leur union. Chaque région possède ses propres rituels et traditions pré-mariage qui peuvent varier en fonction des coutumes locales et des croyances. Voilà, chers auditeurs. <laughs> Après euh, cette pause musicale, euh, nous vous proposons le reportage en région de ce matin qui parle d'un sujet de migration. Voilà, Gaïa, ville frontalière avec le Bénin et le Nigeria, accueille aussi plusieurs jeunes qui ont vécu des histoires migratoires et qui sont finalement revenus s'installer. Belkis Assidi nous raconte dans ce reportage l'histoire émouvante et pleine de rebondissements d'un ex-migrant Ibrahim Ali finalement installé à Gaïa après avoir fait le tour de plusieurs pays de la sous-région. On l'écoute. Je dois malgré l'hospitalité. Je dois partir. Trop dur d'être jeune chez nous. Vivre. Dans notre quartier, nous avons des, amis, des grands frères qui, beaucoup pour la plupart, sont au Ghana. Donc, euh, quand ils rentrent au pays, ils viennent avec euh, surtout un peu d'argent, un peu d'habillement, des choses qui, nous, les jeunes, à l'époque, nous attire vraiment. Donc euh, c'est ça, je pense, qui m'a aveuglé. C'est ainsi qu'en 2002, à seulement 19 ans, Ibrahim Ali abandonne les études et se lance dans une aventure à la recherche d'une vie meilleure. À Gandhi, je suis tombé sur une famille qui vraiment, je ne peux pas oublier cette famille. C'est une famille qui m'a accueilli d'une façon par laquelle personne, personne, je dis bien personne jusqu'à présent ne m'a donné une telle confiance subitement d'un seul coup sans même savoir qui est, d'où il vient. La dame, elle avait besoin d'un employé qui va aller dans une société là où on fait la transformation du coton. Quand elle m'a engagé, automatiquement, elle m'a laissé vivre avec ses enfants dans la même chambre. Donc vraiment la dame m'a traité avec dignité et honneur et ça, durant tout mon voyage, je pense que je n'ai pas eu une telle clémence. Elle a tout essayé pour essayer de me donner même l'argent pour que je revienne chez moi, de ne pas continuer ce périple. Mais j'étais tellement engagé que j'étais vraiment là à l'époque. La première fois, j'ai dormi devant la mer pendant deux jours, je pense. Et moi, à l'époque, je n'avais nulle part où aller. Je suis obligé de venir à la mer parce que c'est le seul endroit où je me sens en sécurité. C'est Après plusieurs mois de route, Ibrahim arrive à destination. Il retrouve ses frères et commence à vendre des CD. Par exemple, au Ghana, une fois, j'avais mes CD en main que je faisais la, navette, voilà. Il y avait un policier qui m'a appelé quand il m'a appelé, il a dit qu'il veut voir mes CD. Il en a regardé, il n'a pas trouvé. Parce que généralement, ce c'est pas des CD qu'ils veulent. Ils pensent pouvoir trouver des films qui sont interdits au Ghana. Donc par ça, ils vont vouloir vous inculper ou faire quelque chose. Mais ce monsieur-là, ayant cherché, n'a rien trouvé. Il m'a dit que bon, maintenant, comme je suis nigérien, il va prendre la moitié de mes CD et je vais aller avec la moitié. Sinon, sinon, il avait trouvé quelque chose d'illégal, il allait tous les saisir. Je lui ai dit, mais non, vous avez regardé, il n'y a rien d'illégal, donnez-moi mes CD, je vais continuer. Et automatiquement, ces monsieur-là, il a craché sur moi. Il m'a insulté. vraiment, ça, c'est une épreuve que je n'oublie pas. Avec euh, toutes ces expériences, le destin avait d'autres plans pour Ibrahim qui revient au pays et décroche le poste de percepteur à la caisse autonome de financement d'entretien routier de Gaïa. Il fonde euh, sa famille, père de deux fillettes son épouse se dit fière de lui. Il subvient à nos besoins. On n'a pas de problème. Je ne vois aucune raison pour qu'il parte ailleurs. Le frère de Ibrahim Halarouvi, lui toujours au Ghana. Il salue le courage de son frère. Ibrahim a passé toute sa jeunesse ici au Ghana, mais une fois rentré à la maison, il a eu la chance de travailler et puis maintenant se marier, juste construire une famille. Mais nous, on est là jusqu'à là, on est au Ghana, jusqu'à là, on n'a pas de famille. C'est pas facile. Malgré les expériences vécues qui lui ont servi de leçon, l'ancien migrant de Ghana, Ibrahim Ali, diplômé en mécanique et couture, est actuellement percepteur ne regrette pas son aventure et ambitionne de développer ses propres affaires pour cumuler avec son job. On a quand même 48 heures de repos après 24 heures de travail. Donc je pense que ce temps-là, c'est du temps que j'ai gaspillé pour rien du tout. Donc j'ambitionne d'aller me trouver un jardin et essayer de faire quelque chose. L'histoire de réussite d'Ibrahim démontre que la migration n'est pas toujours la seule solution pour échapper à la pauvreté et au manque d'opportunités. Il suffit parfois de savoir saisir les chances qui se présentent à nous. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, tout de suite, la page sport, c'est avec euh, Hasumi. Bonjour Guruza. Bonjour Mira, bonjour Fanta. Bonjour Guruza. Bonjour. Alors, l'actualité sportive, c'est le championnat national scolaire qui se tient actuellement à Arlita. Le lancement officiel a eu lieu hier et s'étendra jusqu'au 19 juin prochain. 19 juillet, autant pour Voilà. Euh, oui, il s'agit de la 16e édition de ce championnat scolaire. Les compétitions se déroulent au stade municipal de la ville. Euh, et les huit régions du pays participent à ce rendez-vous de donner et de recevoir. Plusieurs disciplines sont inscrites au programme de ce championnat scolaire. La lutte traditionnelle, le handball, le football et l'athlétisme. Notre correspondant sur place, Gungu Dantani, pour le point sur les matchs joués. En football, les équipes ont été scindées en deux poules. Chaque poule est composée de quatre équipes. Ainsi, la poule A regroupe les équipes de Zender, Niamey, Tawa et Maradi. La poule B regroupe Difa, Tilaberi, Agadez et Dosso. La première rencontre de cette euh, première journée a opposé Zender et Niamey avec la victoire de Niamey par un score de 2 buts à 0 en faveur de Niamey. Au deuxième match de la journée, Difa et Tilaberi se sont euh, séparés par un score vierge de 0 but partout. Maradi a disposé de Tawa par un but à zéro et même score entre Agadez et Dosso. Aujourd'hui, 17 juillet 2024, quatre autres rencontres sont également prévues. Niamey-Tawa, Tilaberi-Agadez, Maradi-Zender et Dosso-Difa. Le jeudi du 18, Niamey avec Maradi, Tilaberi contre Dosso, Tawa-Zender et Agadez-Difa. Ainsi va se terminer les matchs de poule en football. En handball, quatre rencontres ont été jouées hier. Difa-Dosso, avec la victoire de Dosso 7 à 4. Tawa Tilaberi, Tawa 10, Tilaberi 5. Niamey Maradi, Niamey 10, Maradi 0. Agadez Zender, Agadez 6, Zender 17. Notez que les disciplines retenues pour cette 16e édition sont le football, le handball, la lutte traditionnelle et l'athlétisme. Merci Gungu pour ces précisions. Il faut rappeler que l'objectif du championnat scolaire c'est de regrouper l'ensemble des scolaires du Niger sur un lieu précis pour la consolidation de l'unité, la fraternité et entre les fils du euh, pays et la solidarité. C'est aussi au cours de cet événement sportif euh, scolaire qu'on découvre des talents qui vont représenter le Niger dans les disciplines en compétition. Autre activité sportive pendant ces vacances, c'est aussi et surtout les TGV qui commence euh, avec ses euh, vacances. Oui, Mira, les tournois des grandes vacances s'organisent chaque année pendant euh, les grandes vacances un peu partout à Niamey et à l'intérieur du pays. Nous avons les plus anciens TGV comme celui de Yantala, de l'aéroport, qui a déjà donné un peu son tirage au sort. Taladje et la Bokochi et d'autres quartiers également ont organisé ou bien organisent leur TGV. C'est au cours de ces TGV, il faut le rappeler, de ces tournois, que les équipes découvrent eux aussi des talents pour renforcer leur effectif de l'année. Outre le foot, en arts martiaux comme le taekwondo, le judo, eux aussi organisent des TGV. Sans oublier le célèbre TGV de volet le Doganduchi. Voilà pour le sport Merci, Gourouza. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas. Vous pouvez la réécouter en intégralité sur le site www.studiocalango.org. Poursuivons cette émission avec le portrait du jour. Et aujourd'hui, euh, nous allons à la rencontre d'un jeune ouvrier champêtre des Maradis. Le travail d'ouvrier champêtre est très rentable en cette période d'hivernage. La demande est forte. Beaucoup de jeunes et des moins jeunes s'adonnent à cette activité où ils sont payés le plus souvent par jour. C'est le cas du jeune Chapi Oussani qui travaille dans les champs et même dans les jardins logés dans le bassin du Goulbi. Mohamed Maman nous dresse son portrait. Âgé de 33 ans, marié avec une femme et deux enfants, Chapi Oussani, un jeune du quartier Yandaka, Maradi, est très sollicité en cette période hivernale. Il travaille comme ouvrier journalier dans les champs et jardins. Il laboure, plante et pulvérise des pesticides. Mon activité se passe dans les jardins et les champs. Tout celui qui veut de mes services, je réponds présent. Alors je suis ouvrier champêtre et je loue mes services et il m'arrive aussi de m'occuper de mon propre champ. Je fais ce travail parce que je n'ai pas d'autre activité et c'est mieux que de rester à ne rien faire. Je plante du chou, de l'oignon, de la pomme de terre, de la salade et des carottes. Je pulvérise aussi des pesticides. Et présentement, il y a des champs où je pars faire des semis. Hein. Il est payé par jour, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Il reconnaît que le travail est parfois très pénible. Tout dépend de l'activité qu'on me demande de faire. Il y a des activités qui peuvent me prendre toute la matinée et d'autres ne dépassent pas une heure comme celle de la pulvérisation des pesticides. Alors, si je travaille toute la matinée, je peux avoir 1500 ou 1250 francs juste pour trouver quelque chose pour la famille. Pour ces activités, il y a celles qui sont très difficiles comme le labour, mais par contre la pulvérisation ne demande pas beaucoup d'efforts. Cependant, je suis satisfait de cette activité parce qu'elle m'a permis de me marier et prendre en charge ma famille. Le travail de Chapusani est très apprécié d'Ataher Lawoli, un de ses patrons. Il apprécie également comment les jeunes se débrouillent pour faire vivre leur famille. Ataher explique que le travail d'ouvrier champêtre est très compliqué en ce moment à cause des difficultés économiques. Présentement, je dirais que le travail d'ouvrier champêtre est très difficile. Hier, j'ai pris quatre personnes à qui j'ai remis 7000 et déjà ce matin, elles sont revenues pour en demander de l'argent alors qu'avant, cette somme pouvait les souffrir pour des jours. C'est tout simplement parce que la vie est chère maintenant. Et j'ai de la considération pour ceux-là qui travaillent pour moi et c'est pourquoi je leur donne plus que les les autres. Tu vois cet espace, les ouvriers font le travail à 15 000. Et donc, tu leur donnes une avance et quand ils finissent, ils complètent l'argent. Je préfère cela que le travail journalier de 1000 francs, car ces ouvriers ne font rien de la journée. Ils sont des milliers, les jeunes comme Chapusani qui vont de champ en champ pour travailler et être payés en fin de journée, une activité qui ne se pratique que pendant trois mois, le temps que dure la saison des pluies pour beaucoup d'entre eux d'autres contenus dans les jardins pour la culture de contre saison. Voilà, passons à présent au loti d'aujourd'hui. Avant d'allaiter, il est recommandé de bien laver ses mains à l'eau et au savon et de répéter ces gestes avant chaque tétée pour éviter certaines maladies aux nourrissons. En effet, elles sont nombreuses les mamans qui n'accordent pas d'intérêt au lavage des mains avant de mettre leur enfant au sein. Écoutons cette discussion que j'ai menée avec Rekia Arimi dans ce loti. Lottie, Lottie, <laughs> Lottie, Lotzi, Lotzi, Lotzi, Lotzi, Lotzi, <laughs> hay dangai me ni mu da haga yi ni gani su yin su ba ka yin fokai ka yin foyi goka assalamu alaikum assalamu alaikum yani ibno goga he ya ci ne a sin da bani no wallahi ya bani samai dai na goma to an wayan dimi fano ni goga batu tuni bai kan asibori na zanka goga he ya ci ne ga genta ne ya ga wallahi ga bai cewa to a suran ne wajen dai ne ga bayimti ai ma zuman da dai bando ga gagayi ingino tikati yan wo kan ga ago mu zai in ton da mai zai ga hmm. zarmai no gane gunda kan ga haraigo asima asidi hmm. kai ga di ai ma nan di da man tiya din kula si danga irin dogo fa ka ga kai nufu ta yi izo ban ta ta ga han he he he ifano ni ba ga kai gina ifano ni ba ga tiya kinu kai ga bai ma nan di ne nanan di din kan ba zibai wo nin kan na kwara wo kulu windi ha kai ne ni ba ni min izo na nan din kan ba zibai halai ga fatta windo bo ga subo kalkan yimin hmm, ai ma ne bai bere ko ne gane bor min kan ba yin hal ni ko na nan di ifo sai ga kan yin mu zama dori fo yan masu duga di sai mm, so bun bo ni gane sai mun ti haifo ha a in mun tono dingina bere ko ne gaborai yamur kan borai mu haggoi da hananiya zama aga borino ko kiyaga hamba se irin san musulman kaina safuno dai kan gwanda hau a mahima borin goida zama aga kura hau mai Sogoma zeni ki cimfa. Difo koi ne. Koi ne mu. Igba mu. bar mu gwai da fafa degara kan si su suciye. Ni fafai masu duga kanse. Yajin mono ni min Sori sor hami zora. Aha. Hayo kani ko goce mu ya no ni man tonton haikulu. Hmm. Wani ga cewa kan ni wani si ba koi ne se yan wodo wala. Shawara yan no ki wai borai kan na nan disi. Ni bai kan loktor kwar borai. Iga borai lakalai candi kan ima hagwai da hananiya. Sama zankawo a ga targa dori dino. Delu wallahi sai kan ne fanga. bandi wani yankulu na bai ibo zan kano kan ga he goma masha Allah da sin tinga kati mu hay kul gano ne gidinya ai sabu gumgumu irgu fa ka son wo kai zama doga dangai nin wani him goy bar mai boda no <laughs> ha manti goy mai yan sani no ani ga chor doctor adin bai mi ado dai nayi du haye kulu koy ne mo manti ya mono inda kai wat kulir go char bande aga don don da hay bobu ya hey dindu lokaci maka irin fakare ai hay bobu ki ni se si ba mu raye insha Allah wa hani zo wa ai kudu dama dindu duba haya wa sola mai gwangi tontoni to bir koy ba Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Habibou Garba pour la culture linguistique. Le mot de la semaine est compétence. Bonjour Habibou. Bonjour Fanta, bonjour Samira, bonjour amis auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangu. On connaît Ergesala en ses compétences. Oh bon, compétences mantikala waniano kokarino gonitaraino. Andunyara zaro kanga ti zie hando zari wo kindiguwa zari no kai ka andunya kulra furta jai wana competence sai an sar kin ga competence de jen zang furta jai wana kokaro ko igona gite furta jai wani yango mo furta jai gontara o di maga sai no inka andunya kulra amma dai dine competence mo zanga dai arno kan fanni fanni ra kul a wana wani manano so di ka dine filana ko karantano ile competent zanga ko karantano amma dine eh, woine filanu compétence ono wayne o filan goni tarano onga no gone gumara yanga compétence o fanni ful kulganda mat kanci ni ga famandi nano o kangi kandaran semene ya irgaran fondo bay et savoir vivre de femme ses compétences. Bon, voilà, euh, chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication dans les cinq langues où nous diffusons ou en anglais, n'hésitez pas à nous laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. نكي مالي سا اسمين غيسا قال خسر يا نكا لا بنكلار ايدا ما سنغر ميدا سدرغنا استديو كلنغو دا بنكلار هاري مي سدانا دا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله نكا واها ني سبارك تبارك سا تتقوا الزماتين هولين ديش دا غنا ونسسغري دسسغري نيتا دم توصن تنسلا ولا استاد منكر عليا سلا دني سكوتني ولا زقانا ولا قمار انت وقاز ديدا يسلا نقوتني في معضا ندماجيا كم تبارك الله كل هاركلا الحكومة إلى دبارة ولا تجا الحكومة يتلقى كل تزاز قرتن تنسول لنا الصراحة يا الدماتين تي تساسا ما نسا لانت يا قوتنين دعوة الدقة لنا أصوات دع الخير تم قصيتر الحكومة تقودين دقا الدبارة بيتكل الخكم كل ست لقاوين هلتن كل تصاصا وطين تلقاوين بارك تسال الله ساس واترى دقا استوديو كلانقوي منيس تهرت ميسمو ساسون قم دقا تاقين عدقي من ديق تالسا أصصي ودنا النموسى سدات تعوضهم قم دقا استدو بتمك ستين توقي هتعوضن سلن فلا سمرا يا ريزو وان تلفون باستيلا gadam radio tana skandina sidirgin donc ada ada tianne ni saidi tuga gare de de suno de giriya inda de pamparam posse wad milan radio ni skula di sidirgin to zana ni sala na talaqa ismu ko ra sai tagin hongom da ma sha Allah nisti zari ti manne sa sinta fala ni matiar ne si manne swa da man kalare yusuf illewati manne sa sakna qain tuha tulen هولا غينا هل دعني ما ترتني سفينيا مي باكم بتوري المصطفى هي كصادق على شجينا ني لتيديان هو غينا ين أرتيس ارتيسا ين غان سينو 50% انت راك نقنتو هالتي هنا يونيفرسيتي وان نيامي هو لاغينا يماني سا سيورا نا مختار قيمن دغا كالوادنا تيمبورا ترارت هو غينا سعيد اكلوغ بتا هنا نيامي هو لاغينا عبد الكريم ابو با قيمن دغ سهولة غينا مكة ولا تغالي تقيم الدغا تيارا لقتين توال تولي أبري ماي من أنا بيلدون استيديو كالانغو ناسد دا دا سكاب ناني بيندو كابروجي دي دوراي سكاب كودة دم باتا كينان تو ووني فوندير لونغو النيجر أناني أم هبتو يمو هوكي رأي ماكو يدوكو كودة دا واتا gaskiya ɗum nder ittan ɗum harka pufedam ma to goto mi nani suka ummake hoore mum na gomnati nangani ɗum hano mi hoore mum waɗi projet mum goɗɗum ɗum huwanta hoore muɗum ha ɓezza inare nde woni gaskiya mi nana belɗum majum sare amma to mi nani habaruji ɗe dokkata ko ina komin ji pamari ma a nane dokkoyɗi mum en gaskiya ɗon nanemi belɗum majum sare ɓawa noon kenan sa ɗum dokken to goo dagwala wala damare nan ki radio mm. kenan da kama sati keɓa ɓe bittinoya habaruji ɗe mbaɗi ɗi mahimmanci mahimmanci e bitti habaruji jontitande kenan wittinaɗi tagunanaɗi kenan to heɓa nani nder sati ɗi nana yo witte nantoɗi ni woɗi hanjum ne ni shawara kando Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. ce qui prend fin cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et Samira Rouafi. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, euh, nous étions avec euh, Issa, Issa bien sûr, et Adam qui a assuré l'édition. Merci Fanta pour ta compagnie.